auditeurs du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de l'émission Les Niger, c'est Kalangu. Pour la présentation d'aujourd'hui, c'est Salamatou Kadri et moi-même Habiba Ahmed. Et la technique est assurée par Issa Lowoli et à l'édition, nous avons Adama Dawaki. Bonjour Salamatou, comment tu vas Je vais super bien Habiba. Quel est le programme d'aujourd'hui Nous suivrons avec... Nous ouvrons avec les flashs d'information suivies de la rubrique santé. Dans les échos des régions, nous restons cette fois-ci à Niamey pour parler de l'engouillement des jeunes pour la couture. Ensuite, il y aura la chronique lotie de la rédaction par les desk femmes et la page sport. Et ce n'est pas tout. Et oui, Habiba, ce n'est pas tout. Après, nous suivrons également un entretien sur l'éducation au Niger, notamment sur la rentrée scolaire 2023-2024 avec Al-Mustafa Moussa. Il est le président de la coalition nigérien des associations, syndicats et ONG de campagne d'éducation pour tous, ASSO et EPT. Hum, désolé, ASSO et PT. Sans oublier notre sélection musicale 100% nigérienne pour finir en beauté. Et c'est parti pour une heure de divertissement et d'infos. Chers auditeurs, on débute cette émission avec les flashs d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Habiba Ahmed. Bonjour Salamatou Kandiri. Bonjour Mokhtar, quelles sont les nouvelles voilà le flash d'information à présent euh, selon le communiqué périodique euh, de la Direction générale de la protection civile à la date euh, du 2 octobre 2023. Les inondations au Niger ont touché plus de 160 000 personnes avec 80 blessés et 51 morts dont 23 par effondrement, 28 par noyade. Les régions les plus touchées à cette date sont Maradi, Tilaberi et Tawa. Le communiqué fait état également de dégâts matériels allant de l'effondrement des murs, des hangars, des classes, des cases de santé, des boutiques et des greniers. À cela s'ajoute la perte de près de 35 de 3500 têtes de bétail. Après avoir déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la CDAO mi-septembre, les avocats de l'ancien président Bazoum viennent de saisir le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour détention arbitraire, rapporte le site d'information Actu Niger. En parallèle, l'ancien chef de l'État, euh, qui est toujours gardé au palais présidentiel depuis le coup d'État fin juillet, a déposé aussi une plainte auprès du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour attentat et complot contre l'autorité Autorité de l'État selon la même source. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur s'est dit surpris de relever à travers les réseaux sociaux et certains médias un communiqué du gouvernement algérien indiquant que le Niger aurait accepté la médiation de l'Algérie qui a proposé aux militaires une transition de six mois. La partie nigérienne a précisé euh, dès le départ que la durée de la transition euh, devrait résulter euh, des conclusions du Forum national inclusif ainsi que l'orientation donnée pour un changement dans la gouvernance du Niger. Le gouvernement de la République du Niger rejette les dites conclusions en tout en réitérant sa volonté de préserver les liens d'amitié et de fraternité avec l'Algérie. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 3 septembre 2023. Merci bien Mokhtar Hamadou, excellente journée. Merci à vous. Comme annoncé en début d'émission, nous suivrons notre entretien avec Al-Mustafa Moussa, président des ASSO EPT, coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG des campagnes éducation pour tous. Mais Habiba, avant d'écouter notre première partie de l'entretien, chers auditeurs, écoutons notre première musique de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit de l'artiste Diawan qui nous chante Matata. Je vais vous raconter une histoire de la fille du papa du quartier liberté. On s'aime à la folie, de l'amour à la phobie. Que je veux la marier avant le monde carré. Sans papa, c'est le limam, sa maman vient de la Et moi, le MC du quartier commente à chaque fois la télé. Donc pour eux, je suis délinquant, un délinquant sans diplôme, qui n'a pas d'avenir, un délinquant qui pipe pas. Il ne jeûne pas, tu ne sait pas, je suis quelqu'un de bien. Qui paie aussi, qui fait ses cinq prières. Qui fait ses cinq prières, qui fait, qui fait. c'est 5 prières. le son que vous êtes en train de savourer, chers auditeurs. Et oui, de son vrai nom, Hassan Adamou est membre du groupe Black Escrew. Après le départ de son coéquipier vers l'étranger, il décide de voler en solo. à présent, voici notre entretien avec Al Mustafa, qui, je le rappelle, est le président de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG des campagnes éducation pour tous, ASSO et PT. Avec lui, nous allons aborder le sujet de l'éducation au Niger et nous mettrons l'accent sur la rentrée scolaire. C'est parti. ASSO, c'est l'association des syndicats et ONG qui milite en faveur de l'éducation pour tous au Niger. Présentez-nous brièvement vos actions et vos objectifs. Il faut dire que ASSO a trois pôles. Le premier pôle est constitué des syndicats affiliés à l'international de l'éducation qui sont au nombre de cinq, à savoir le SNEN, e le syndicat national des enseignants du Niger, le SNEB, le syndicat national des enseignants de base, le SINATREB, le syndicat national des travailleurs de l'enseignement de base, le SENTEN, le syndicat national des travailleurs de l'éducation du Niger, le SINAFEN et le syndicat national des agents de la formation et de l'éducation des Enfants, qui sont regroupés autour de ce qu'on appelle l'international de l'éducation section Niger ISNI. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est l'ensemble des associations et ONG qui luttent contre le travail des enfants et qui sont aussi membres de Global March International. Ça, c'est le deuxième eh, pôle. Et le troisième pôle, les structures eh, qui militent dans le domaine purement eh, de l'éducation, qu'on appelle CACOPED, le cadre de concertation des ONG pour l'éducation, CACOPED, pour la promotion de l'éducation. L'une des missions principales de ASSO, c'est véritablement de mener le plaidoyer, la campagne auprès des décideurs mobiliser les citoyens pour que effectivement les enfants nigériens puissent bénéficier eh, d'une éducation de qualité pour tous. À ce titre, ASSO est affilié à plusieurs structures internationales. À titre d'exemple, ASSO est membre de la campagne mondiale pour l'éducation, la CME. Plan régional, ASSO est affilié à ANCEFA. C'est ce réseau eh, africain qui aussi travaille pour l'éducation au plan africain. ASSO participe à toutes les rencontres et autres forats qui se tiennent au plan international dans le domaine de l'éducation. Et c'est ce qui nous a amené à être membre du partenariat mondial de l'éducation. Quand on constate un problème, nous menons d'abord des recherches, nous menons des investigations avant de le documenter pour pouvoir saisir les autorités dans tel aspect dans tel domaine, voilà ce qu'on a constaté, voilà les problèmes et voilà la voie par laquelle nous pensons que on peut les solutionner. La rentrée scolaire 2023-2024 vient d'être effectuée. Pensez-vous que toutes les conditions sont réunies pour que cette rentrée soit effective Effectivement, euh, la rentrée a eu lieu le, le, 2 octobre. En tant que défenseur du droit à l'éducation, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à l'éducation et au vu du contexte particulier auquel euh, le Niger fait face, et je pense que euh, euh, on peut s'estimer heureux les mesures du moins prises par le gouvernement pour que cette rentrée particulière puisse se tenir dans ces conditions. Et il vous souviendra que le Premier ministre, dans sa première sortie, a dit que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que cette rentrée ait lieu. Nous étions convaincu, en tout cas eh, les autorités en charge de l'éducation et de la formation, au vu du contexte, peuvent leur tirer un grand coup de chapeau et ils ont réussi. Est-ce que vous avez pu rencontrer la ministre en charge de l'éducation par rapport à cette rentrée Nous avons effectivement eh, sollicité eh, une audience auprès d'elle, eh, eh, la rencontre n'a pas eu lieu. Mais là où nous nous réjouissons, eh, beaucoup de nos structures ont été rencontrées, notamment quand vous prenez l'association des parents d'élèves et étudiants. Ils ont été reçus. En tout cas, ces deux organisations qui sont membres de ASSO ont été reçues. Et qu'est-ce qui en est ressorti Bon, nous attendons encore véritablement leur rapport. Et à l'issue des rencontres, selon les informations qu'on a, tant que président ASSO EPT, je suis aussi le coordinateur de l'international de l'éducation section du Niger. Et à ce titre, j'ai participé à la rencontre. Nous retenons d'abord, la première a été une rencontre de prise de contact et elle a eu à poser, effectivement, à dire aux partenaires sociaux ce qu'elle attend d'eux. Elle dit qu'elle a été investie d'une mission par les, nouvelles autorités de ce pays, à savoir le CNSP, et elle est venue envers les, partenaires sociaux, les syndicats, pour entendre leur son de cloche, pour effectivement solliciter leur appui afin que la mission qu'on lui a confiée, elle puisse accomplir ça sans travestir cette euh, mission. Voilà par rapport à la rentrée les dispositions qui ont été prises pour que effectivement cette rentrée soit euh, véritablement effective. Et on a profité aussi véritablement poser les préoccupations des enseignants. Chers auditeurs, avant de poursuivre cet, entretien, entretien partons en musique avec le groupe de rap Processive Verval qui nous chante J'aurais pu. Uh-huh. Le haram a trop de charme, comme on voit le bon couloir sur l'avenir sa charme, on veut tous garder espoir. Moi jeunesse mal malmenée, comme un rat de laboratoire. Son futur est sacrifié, y'a qu'en Dieu qu'on peut y croire. Comment faire, comment dire, c'est les questions qu'on se pose. Pourquoi moi, pourquoi lui, votre querelle en overdose. Il est temps qu'on prenne pause et qu'on admette tous nos fautes. Si tu veux mettre un bateau, je t'apprendrai à nager. Yeah. Trop facile de succomber à la tentation du diable. Même quand on sait que l'enfer est tout sauf agréable. Les gens ne vivent plus que pour la monnaie et la guerre. Chaque décès d'un frère fait couler les lames d'une mère. Si fait me fait rêver que que le micro efface mes drames. J'ai du mal à dire je t'aime pour ne plus voir mon cœur en flamme. Le suicide guérit les problèmes si la pile est lâchetée. Pour des gens qui refusent d'affronter en face la vérité. dans ce monde égoïste Dis-moi à qui se lier quand le futur est plié Tous les jeunes de ma caisse ont baissé leur faute Si le savoir est une arme, laisse-moi acheter un Glock Pour plomber la misère, menacer la galère braquer la richesse, fesser la haisse et m'acheter une tanière. On avance dans le péché normal que les larmes de nos mères ont du mal à se sécher. Si nos pères sont déçus, c'est que nos chères soeurs traînent à nu dans les rues va leur dire que voler père et mère n'est pas gage d'un futur prospère, mais ouvre les portes de l'enfer. Comment faire Dis-moi pourquoi se taire quand la peine et la poisse même de nos affaires et que le ciel laisse faire. J'implore le pardon, retiens les leçons, prie pour le paradis, cette vie est une part. cœur est lourd, la tristesse nous entoure. Je pense à mon parcours, pas facile et plein de bravoure. Je mate le compte à rebours, homme de joie et d'amour. Souvent car la pauvreté ne connaît pas le mot. Certains nous ont quittés en nous ils resteront. Je pense à la cité, avoir des amis c'est si bon. Je pense à mon quartier, aux blagues que nous faisions. Je me sens aimé, respecté, j'ai une position. Chers auditeurs, vous kiffez en ce moment les titres J'aurais pu, signer par le groupe Processus Verbal avec comme registre les rap, RB et de la pop musique. Chers auditeurs, c'était Processive Verbal. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou à travers les ondes de nos radios partenaires. Maintenant, nous vous proposons la suite de notre entretien avec Al-Mustafa Moussa. Il est le président ASSO EPT. Il revient sur la crédibilité de l'enseignement qui, selon lui, aujourd'hui est mise en jeu. Quelles sont vos attentes par rapport aux nouvelles autorités pour cette rentrée Au niveau de la coalition aso mhm. ASSO et PT, nos attentes, elles sont nombreuses. Mais nous estimons qu'il faut prioriser les choses. Aujourd'hui, le grand plaidoyer que nous faisons auprès des nouvelles autorités, c'est de faire en sorte que les enfants des régions où l'insécurité sévit et que les écoles sont fermées, des dispositions soient prises pour que ces enfants retrouvent le chemin de l'école. Et que les enseignants aussi qui y sont, on puisse trouver des mécanismes par lesquels on va les motiver pour qu'ils continuent à assurer l'apprentissage. Ça, c'est vraiment une de nos grosses attentes. Alors, Mustapha, mhm. votre structure œuvre pour une éducation pour tous. Est-ce qu'on peut dire que cela est une réalité au Niger aujourd'hui On œuvre effectivement pour une éducation pour tous. Mais je ne peux pas dire que c'est une réalité, c'est un objectif à atteindre mais il faut reconnaître que des progrès énormes ont été réalisés. Le taux brut de scolarisation, je n'ai pas les chiffres euh, avec moi, mais je sais que euh, ça atteint un niveau acceptable. Maintenant, c'est véritablement de continuer. On ne peut pas atteindre l'éducation pour tous lorsque dans un pays, il y a un problème de pénurie d'enseignants. Il faut aussi, l'éducation pour tous ne peut être réalisée que lorsque des infrastructures existent, lorsque des enseignants et des enseignants aussi, pas n'importe lesquels, des enseignants professionnels, des enseignants qui ont été formés pour enseigner existent. Et c'est ce combat-là, madame, que vous et nous, nous sommes en train de mener. Même si nous n'arrivons pas à l'atteindre, ceux qui vont nous remplacer vont continuer le combat et un beau jour, nous atteindrons le niveau de la scolarisation de tous les enfants du Niger. C'est notre vue. Monsieur Mustafa, mhm. que pensez-vous de la qualité de l'enseignement ces dernières années au Niger Vous me posez un problème, euh, une question assez préoccupante. nous faisons partie des acteurs. C'est-à-dire, si je dis nous, en tant que d'abord syndicat, en tant que coalition à qui avions dénoncé la mauvaise qualité de, de l'éducation. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. L'éducation de qualité, c'est vraiment un rêve. Il faut reconnaître que effectivement c'est un souci pour l'ensemble des acteurs. Mais c'est quelque part c'est parce que les gens l'ont voulu et les gens l'ont entretenu. Parce que, madame, l'éducation, c'est un métier, c'est une profession. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas être journaliste parce que je n'ai pas fait le journaliste, madame. Vous, vous avez fait, vous avez travaillé pour faire. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait une école normale, quelqu'un qui n'a pas été formé pour enseigner peut enseigner Et à un moment, on a pris du n'importe quoi, excusez-moi de l'expression, pour euh, venir enseigner. Les gens disent qu'il y a même des, vendeuses de, beignets et autres là qui sont devenues des contracteurs. C'est une réalité. Et mieux, on a créé deux sortes d'enseignants. À un moment, on les appelait même des enseignants de type niveau qui est devenu des volontaires, des contractuels et des titulaires. On fait le même métier, on a les mêmes niveaux, les mêmes grades, mais des salaires différents. Donc on a créé cette discrimination et aussi il y avait le problème des infrastructures. Et voilà tous ces phénomènes qui ont porté atteinte à la qualité de l'éducation. Et c'est ce qui nous a amené à un moment à sortir un slogan, il faudrait qu'on arrête la déprofessionnalisation de la profession enseignante. Et ça, on a mené ce combat. Heureusement, les autorités nous ont suivis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller enseigner tant que vous n'avez pas fait l'école normale. Ça, au moins, c'est devenu une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire le combat pour que ces contractuels Soit recrutés définitivement à la fonction publique. Les classes en paillotte constituent une source d'insécurité pour les élèves. Qu'attendez-vous de l'État Là aussi, c'est une question assez préoccupante. Euh, je vais parler en tant que secrétaire général du syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger. Nous avons même mené une étude sur les classes paillotes. À un moment, euh, le c'était euh, l'aspect psychologique. L'enseignant qui enseigne dans ces classes, les stress c'est qu'il vit dans ces classes périodes-là. Et ça nous a amené même euh, à l'époque à exiger qu'il faut qu'on arrête les classes périodes. Et on ne nous a pas compris à l'époque, mais il a fallu qu'il ait les événements malheureux du Pays-Bas et les différents incendies pour que les gens puissent comprendre la dangerosité des classes périodes. Les gens ont estimé que puisqu'on euh, puisque on doit scolariser les enfants et qu'il n'y a pas les moyens, on a pensé à cette solution très facile. Mais c'est des solutions extrêmement coûteuses parce que ça porte atteinte à la vie des enfants. Aujourd'hui, des initiatives sont en train d'être développées pour effectivement endiguer définitivement les classes payotes. Mais ce problème ne sera indiqué que lorsque véritablement il y aura de la transparence, il y aura de la bonne gouvernance au niveau du système éducatif. Nous sommes contre les classes payotes, je vous invite à faire le tour de certains quartiers de Niamey. Vous allez voir, les enfants sont assis à même le sol pour prendre les cours. Et parfois, ils viennent avec des, des petits tabourets, parfois c'est avec des briques de ciment. C'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi nous pensons que l'un des problèmes, auquel les autorités doivent faire, c'est de combattre, c'est de lutter contre l'implantation anarchique, de mettre un terme à ces classes payotes pour que véritablement les enfants puissent avoir un environnement euh, euh, sain d'apprentissage pédagogique. C'était là un entretien que nous a accordé le président de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG des campagnes Éducation pour tous, ASSO ept à la personne de Al-Mustafa Moussa, on revient après une courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Salamato, parlons santé à présent. Et eh oui, Habiba Cap sur Balayara, dans la région de Tilabiri, à la découverte du strict sanitaire. Créé en 2011, le strict sanitaire de Balayara a une couverture sanitaire estimée à 80% selon le médecin-chef et il est composé de 15 centres de santé intégrés appelés CSI et 10 cases de santé précise Dr Adamou Moumouni Abdulrachid, médecin-chef du district sanitaire de Balayara interrogé par Adama Tawaki Et c'est la rubrique hebdomadaire du jour qui se trouve dans une seule commune, qui est la commune de Taxa, ce qui nous permet euh, de couvrir quand même les 1314 km, soit avec les centres de santé existants, soit avec des stratégies telles que les cliniques mobiles. Quelles sont les maladies les plus fréquentes euh, au niveau de votre district sanitaire La première pathologie qui nous vient, c'est le paludisme. Et après le paludisme vient tout ce qui est infection respiratoire aiguë. Et ces infections respiratoires aiguës, euh, le nombre augmente de plus en plus, surtout à partir de cette période jusqu'au mois de janvier. Et à part cela, nous avons des pathologies de type diarrhéique et ça aussi, c'est dû à l'emplacement euh, du département de Baleara et au type d'eau utilisé par la population qui fait que Baleara a vraiment ça constamment, permanemment, des maladies du type diarrhéique. En période de pic, paludisme, vous enregistrez combien de cas en moyenne Étant également biostaticien, j'évite de donner des chiffres au hasard, mais quand même en cas de période de pic, nous avons le taux le nombre de consultations qui est multiplié parfois par 6 ou par 7, voire parfois même par 10 dans certaines localités, ce qui fait que euh, nous avons vraiment beaucoup de cas qui surviennent. Mais Dieu merci, durant ces dernières périodes, je dirais à partir de 2022-2023, grâce aux stratégies mises en place par le programme national de lutte contre le paludisme, telles que la chimioprévention saisonnière du paludisme, nous arrivons quand même à avoir une baisse dans les admissions, surtout dans les cas de paludisme grave que nous trouvons souvent chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Qu'en est-il de la CPS Si on parle de la CPS, c'est surtout les enfants. Là, depuis, on a eu un débat interactif ah, qu'on a eu à faire qui a vraiment fait booster les choses parce que nous nous sommes rendus compte que au niveau de certains villages, les chefs de village n'étaient pas imprégnés et cette fois-ci, ils se sont engagés. Eux-mêmes, ils viennent vers pour faire la demande par rapport aux produits CPS pour que les enfants aient accès au CPS. Mais par rapport à la CPNR qui engage les femmes, la CPNR qui est maintenant SPN, soins prénataux, c'est là que la difficulté se fait sentir. C'est surtout par rapport à deux aspects que nous retrouvons et que nous essayons de documenter. C'est l'aspect décisionnel parce que la personne qui doit doit prendre la décision le plus souvent dans nos cultures, c'est le mari. Et on a un retard par rapport à cette décision. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect financier. Et cet aspect financier, nous avons essayé de le dégager avec le fonds d'achat, toujours avec le PSRKW, en rendant la CPNR, les soins prénataux, gratuits. La femme, quand elle vient, tout ce qu'on doit faire lors de cette consultation est gratuite, sauf les examens biologiques et l'échographie. Parce qu'il faut noter qu'à Balear, nous faisons l'échographie et nous avons un laboratoire qui nous permet de faire tout ce qui est examen examens Qu'en est-il euh, des taux de mortalité infantile et maternelle Au niveau du taux de mortalité maternelle, vraiment nous avons eu une baisse par rapport aux indicateurs euh, de 2021-2022 et ce grâce vraiment toujours à l'appui de ses partenaires parce que Balayara n'avait pas de banque de sang mais grâce à ses partenaires, Balayara maintenant a une banque de sang parce que la majorité des cas de décès étaient liés à des anémies, c'est-à-dire à une insuffisance en sang, et c'est cette insuffisance qu'il fallait régler rapidement. Par rapport au décès euh, infantile, pour moi, un seul décès, c'est un problème, et ce taux-là n'est pas du tout réluisant et ça, c'est du fait du retard de la prise en charge. Les mères amènent les enfants très en retard. Ils font d'abord le tour de la médecine traditionnelle. C'est pour ça que nous essayons également de faire des sensibilisations de ce côté. Et c'est après quand c'est excessivement grave qu'ils nous les amènent. Et malheureusement, la plupart viennent dans un état où le décès survient dans les moins de 24 heures. Une estimation, un chiffre les données sont quelque chose de très sensible que nous préférons qu'il soit donné par la des statistiques. Est-ce que la population de Balayara a pris conscience de l'importance de la fréquentation des centres de santé euh, Je dirais que euh, la population est en train de prendre conscience. Et ça, grâce à vous déjà, les radios, surtout ces moyens de communication de masse, nous permettent vraiment d'atteindre les populations au plus loin du district. Et avec les stratégies qu'on a mises en place, en respectant les règles du recouvrement de coûts, qui fait que quand le patient rentre, il paye les 1000 francs, les 1000 francs qu'on considère, les 700 francs pour la consultation, 100 francs pour le carnet et 200 pour le centime additionnel. Le patient est consulté et tous les produits lui sont donnés gratuitement. C'est seulement lorsque le patient doit recevoir une injection ou être mis en observation que le patient paye 2400 et ce montant permet euh, également de faire la mise en observation, mais pendant les 24 heures de mise en observation, tout ce qu'il y a comme soluté, s'il faut lui mettre deux sérums avec tout ce que ça contient, c'est fait gratuitement. Chez les femmes enceintes, l'accouchement est gratuit. Leur évacuation est gratuite également. Nous avons essayé de faire vraiment une sensibilisation au plus près également grâce au relais parce que on a la particularité d'avoir dans presque tous les villages de balear je parle des villages administratifs, au moins un relais communautaire qui puisse relayer l'information. Merci Adama Dawaki pour ces précisions. Faisons encore un tour en musique. Et oui, Habiba, on va se détendre avec euh, l'orchestre 7 étoiles d'Alik euh, qui nous chante Biré. On kiffe. Donaro gaskiya baba Zakaria Yaou Remama na baba La vie c'est rien Yaou du c'est Allah Dike Dalo Ayemi c'était ni L'orchestre 7 étoiles Bora bako c'est dini do

ku shi dan shiri ne ai man di zanka kulwa da no a sai ne zanka sai tere a kan nan zanka sai tere dai would need Chers auditeurs, c'est le moment de l'écho des régions et on reste à Niamey, plus précisément au quartier aéroport où les jeunes s'intéressent de plus en plus à la couture. Maman Ada s'est intéressée au sujet suivant ce reportage. Suna da yawa samari da 'yan mata a wannan lokaci da suke rubuta kansu a wuraren koyon aikin hannu a unguwar aeroport da ke birnin Yamai matasa na mai da hankali akai-akai ga koyon ɗinki kamar yadda Idrisa Kaza shugaban kungiyar teloli da masu ɗinki da ke da kuma wata cibiyar koyon ɗinki. To wallahi duka muke kowa musu inda fanni wajen fanni dunki Kamar mi da mi. Eh, ɗinkin mata, ɗinkin maza, akwai wanda suna haɗa su biyun da ɗinkin mata da ɗinkin maza. akwai wanda suna ɗumkin maza daban akwai masu dumkin mata kuma daban amma ɗumki dai muke kowa musu dindindin to diploma din da suke samu tana buɗe musu hanya dewa dewa kunda mun ba a faranti diploma kuma yau suna aiki da shi a cikin yaran mu da yawa su koyon dumki mata sun yi yawa to wallahi abin da muka samu nan a cikin kungiyar mu shekara uku zuwa hudu dim shi namiji muka kai shi har shekara shida amma ya mace tunda ita lokacinta ta kaɗan ne tana yi samun aure dan shine muka sa mata shekara uku zuwa hudu muka ce shekara hudu in dai ta samu formation ta kirki muna ba ta horon na daukar 'yan shekaru domin samun diploma ta dinki kuma ba abu bane ba mai sauki a cewar abdulrazak amadu wani mai koyon dinki da ya kammala karatunsa gaskiya na kure cikin aikin nan eh, na iya duka da duki maza da duki mata duka na iya eh, na iya sosai me insha Allah na daga baya na so samun ina sun buɗa tele zuwa gaba. A nata bangare Ramatullahi Ayuba ita ma mai koyon ɗinki ba ta ɓoye farin cikin ta ba kuma ta bayyana fatanta na buɗe wurin ɗinki na kanta. Tun da na iya dimci ban zamna in ce ya zan yi ba. Gaskiya ɗinki ya mu kuma ba abin da zan ce sai alhamdulillah. Yanzu in wasu suka ce suna so su koya kina koya musu. gaskiya ina koya musu ina da ma wannan buri saboda ilimi ne na iya mai gidana ya koyar da ni zuciya guda ni ma ina so in koyar da wayansu aikin hannu gaskiya riba ne sosai yana kai mu gaba gaskiya alhamdulillah ita ma kuma Nadia wata matashiyar mai koyon dinki ta gargaɗe matasa da su nisanci kansu da zaman kashe wando su nemi wata sana'a ai gogo ce ai cel wai bare zai ga ko kul kanka ikul mu diga dondon e kwalo igine bon mu te ikol alhamdulillah ai go maka ne ai kan bu ra ai go maka ni zam hun kun ai gite ai nya sai ai gite babsi dai be rara ai go maka ni mo da ai mai gida kan nai don don di kun ai gonda giri fono gaisi ai gonda diploma ana lura da wata kwararar matasa wajen harkar dinki musamman ma daga bangaren yan mata inji Idrisa Kaza shugaban kungiyar teloli da masu dinki tare da yin kira ga uwaye da su rubuta diyansu yan maza a wuraren koyon dinki to wallahi dinki na shan wahala kuma makoman da nake ganin dinkin kaɗan kaɗan kuma yana ga koma ga hannun mata tunda yawan a faranti za mu diba 'yan mata ne kenan kaɗan kaɗan nan zuwa gaba in ba mu yanka mata zalla za su ci gaba da aikin tunda mazan ba su da yawa sai dai cirin dan shine muke kira ba mu son ubannin su bar yara suna ta yawo ko cikin ane scholar ne yaro mercredi suwar samedi shi, a kai shi a sa cikin ya koyi aikin hannu kuma ciran da nake gare su Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. passons à présent à la page sport avec Adam Sari. Bonjour Adam. Bonjour Abiba. Adam, bonjour. Bonjour Salam. Alors, débutons avec la clôture de la 18e édition du championnat national de handball ce week-end. Eh bien oui, Sachez qu'un homme, c'est le club de la garde nationale qui occupe la première place, suivi de l'équipe de la gendarmerie nationale. Et la troisième place revient à l'Ice Police. Chez les dames, la garde nationale prend également la tête devant l'Ice Stade de Niamey et la troisième place revient à l'AS Laban de Niamey. Autre information sportive, Adam, avec la fin hier à Tawa de la formation du commissaire au match de football des régions d'Agadez et de Tawa. Eh bien oui, en effet, ils sont, ils sont formés deux jours durant sur le nouveau système FCMS, Football Competition Management System, en français système de gestion des matchs. Alors, euh, l'objectif est de permettre à la Fédération nigérienne d'aller vers un système informatisé sur les rapports des matchs. Écoutons Lawali Garba, formateur, au micro de notre correspondant Tawa, Yawale Abdulmoumouni. Nous avons initié cette année trois ateliers, un à Niamey qui a déjà regroupé ceux de Niamey, de Tilaberi et de Dosso. Aujourd'hui, nous sommes à Tawa. Cet atelier regroupe les commissaires de Tawa et d'Agadez. Et à partir du 4, on sera à Maradi pour les commissaires de Difa, Zender et Maradi. Donc l'objectif de cette formation, comme je l'ai dit, le football est évolutif. C'est comme les sciences, ça va très vite. Pour cerner l'évolution, il faut avoir suffisamment d'informations. Et aujourd'hui, nous sommes à Tawa, c'est pour apporter des nouvelles informations quant à la gestion des matchs que le commissaire est amené à faire. Aujourd'hui, il y aura le passage de la rédaction manuelle, par manuscrit des rapports et transmissions des feuilles de match par un nouveau système qu'on appelle le FCMS, système de gestion des compétitions. Donc c'est basé, axé sur l'outil informatique. Donc les feuilles de match, les rapports des commissaires au match seront transmis et via Internet, Toutes mis à jour par rapport à ce nouveau système, s'il plaît à Dieu. Il faut être aussi très curieux pour pouvoir mieux cerner les tenants et les aboutissants de ce nouveau système de gestion de compétition. Et eh bien voilà, c'était Laweli Garba, formateur de la FENIFOOT, qui parlait sur le nouveau système FCMS. Et eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Salamatou, je vais vous laisser à bientôt pour d'autres informations. Merci Adam. Merci beaucoup Adam. Salamatou, qui est notre étoile du jour Habiba, il s'agit de Amir Moussa, un jeune âgé de 20 ans, natif du village de Dargarka dans le département de Konyi est arrivé à Niamey il y a deux ans, comme les jeunes de son âge pour chercher du travail. Aujourd'hui, sa principale activité est la vente des galettes dans un quartier périphérique de la capitale. Même si ce n'est pas très rentable selon Amir, il arrive à s'en sortir. Oumu Omoro l'a rencontré. Voici son portrait. Amir Musa kana sana'an toya masa tun wani shekara ne ka fara wannan sana'a na shekara biyu ina yi yana tawa yana koma garinmu to yanzu me ya baka kuzari da ka fara wannan sana'a ko kuma waye koya maka wannan sana'a zaman magaji na yake ya zakar ni garin nan ya ce to bari jar kani ne ya koya mishi masa saboda shi ma zuwa koya ya ta ce bari zuwa kanin shi shi ma ya koya ya zo gura kanin shi ya koya shi ya koya sai ya ce to tun da ka koya to ni zan je gida in barka wuri na to wurin sai bar tasiri sai ya koma bidan min wani waje da ya dawo sai mu shiga wajen kalli plateau mu shiga mu nemi wuri mu nemi wuri Allah ya taimake mu tun daga abokan nan sana kowa na yin aiki a ce mu muna na cikin tsohon gida ba mu sabon gida ba tun da ka fara zuwa yau ka taba samu alheri cikin shi ban taba sai muna wani aji na ce gahi na sai shan aji ba kawai da abin na tura mu tsohi shine za ɗauka ci wani bi ma tsohon sai ya bi dona sanin a ci har ka kuma sai hankuli yanzu baka samu kana ajewa amma dai kai ke rike da nauyin gida in ka samu kana tura kuɗi gida ne ke rike da nauyin gida Allah taimake mu ana samu gaskiya ba a cewa ba a samu amma dai wani aka samu Allah dai taimake mu kaji to yanzu cikin ini nawa kuke kashewa kamar nawa kuke sayan kayan cikin ini nawa kuke saidawa to wala cikin ini wani bakin mu jakka takwas da sai hudu da marice hudu to kuma abin da muka kashewa mana sayan mai mana sayan fari mana sayan shinkafa kuna samun riba to ana samun riba amma ba kadan mu ma kan mu ba jallamin kan muna ba wannan mai gidan mu na ka kawo mana to shi ma dan wajen mu na shi na kawo mana muna sai suwa in muka sai suwa muka samu abu sai mu ba kudin shi mu riƙe riba mu ba shi na can a saƙo na ka kawo wani bakin mutum samu jikawa uku jikka hudu haka shi samu jikka ne goma sha ɗaya mun sama na shi to jikka uku in ka rike su to ka ci ka aje ka tura tsohi sai dai Allah dai ya ci taimaka menene matsalar da kake gani cikin sana'an ga ni gani kai sana'a ga tana bana ibin ga tun sai a ce ga shekara ta ta biyu na shigo shekara ta biyu ina ta fagaran ga a ce ban sai wani ban aje ba wallahi ya nake ji cikin shi dan ina ganin kawai zan samu yana abin ya kiya kuma ga abokan na kowa na yi sai a ce ma kai ga abokan kana ta yi kai ba kai ba menene gurin ka ne dai Allah ya kaddara Allah samu mota babbar sana'a wadda Allah ya ba su wa'ayi wani irin kira zaka yan uwa matasa yan uwa matasa Allah shi taimake mu Allah ya tsare mu sharrin masu shari Allah ka agaji mu a kowa ta take shi nemi sana'a duk saurayin da ya kai na aure da wani bai kai ba Allah ya taimake mu ta tsaye shi neman kai ne Allah shi taimake mu kuma Allah shi agaji mu Merci Oumo Morou pour ces portraits, chers auditeurs. Écoutons à présent le dernier morceau de notre playlist du jour. Il s'agit de Zoin Zoin de l'orchestre Tal National. bomba manai sai kwambo dai siri manai sai siri adate manate wala, ai mateni gandai rap kup kup ganda masabanda bandai ganda sunto masabanda sunto lakal masabanda lakal. lakkal ai inga gatika ani handuga bata ay sidirinyan ay shatu lobo mar parmezi zaku larabo zongo ay jamu peti jaise ay kilere walla rayina marga na koi rayina ballai kora rayina mana ballai zo mana gaga prison kai biba mana ga biba hashiya farilla daraja arganaa susayni ramatu kirma zingi beletu walay walla rashida kirma zingi mana kumandan papa ali ali kirma zingi fokani walla lenu manga lenu lenu bella meu mana sandezo walla group show mana zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi carniço. Zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, zoi, carniço. Marga, senhora, darja. Beli estare. Gene estare. Kisa managa balaci. Talla yanega sumbu. Mana sai ko doso. Le zankai walla. Zankai walla. Brezi marga elo. سيدي شريف ولا دجا نور الدين أبيدي جيسة كاميرون نيغا زمبو من إسو فرماسي إسو فرماسي أيفو ألاجي جيسة سالوجي بجيسة زوي زوي زوي زوي زوي زوي زوي زوي زوي زوي زوي زوي زوي shaf ami midu ina alem foka burai ma tinigoka muktari nodo amma ba fatiya lidu kai da manzo jaise edi mozali ka kurnye managa komsera jamsa ngai fo faruku kongo fada dimil daga sinoro dimil turiyan noro dimil ankora bay noro dimel ture marga maiga siko ballai kwara prince la kuma chase alaji chase abibu goka abibu baura deya tele istaramba kitambo Chers auditeurs, c'était Zoin Zoin de l'orchestre Tal National. Voyons à présent ce que les femmes de Studio Kalangu nous ont préparé comme loti. Eh oui, Salamatou, dans la chronique loti de mardi, nous parlons d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, une exploitation des élèves qui ne se dit pas, autant pour moi qui ne dit pas son nom, par certaines enseignantes pendant les heures de classe. En effet, c'est un constat qui montre que des élèves sont utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Cet acte est une faute grave selon les tests de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons Racha Arimi et Samira Rouafi. kan wannan jagwalgwalin wa'annan yaran wata rana su dai za su dora mini hawan jini kokokok da mutum ne anan kokara kokokok shigo wace ce kawata la mistress ya ne kina lahiya hmm, hakan ya samu inda yaran ga ba su wasa cikin al'amarin karatunsu ta Allah duba mini takardunsu hmm, abin ya ishe ni ya ishi rayuwata haba kawata ya kamata ki tambayi kanki ina ne wannan matsala ta huto har ya sa ɗalibanki suna yin irin wannan abubuwa. Ya kai ma a tambaya, a gida ne iyayensu ba su kula da su na su yi aikin da ake ba su a makaranta a gida. Duba ki gani, ni na san dai ina ba da karatuna yadda ya kamata. Hmm, abu ne mai sauki ka ɗora mun laihi amma kai baka ganin naka. To, amma ni ba ma wannan ya kawo ni ba, ni ba mashawarciyar makarantar ku ba ce. To, haɗi mini, me ya kawo ki cikin ajina? Madalla, na ji labarin ana cewa tun da aka fara makaranta kina aika ɗalibai gidanki don su je su yi miki wani gyare-gyare da wasu wanke-wanke da sauransu. Wala, ina kika ji wannan labarin? Tsaya ban kare ba. An ce ma kuma har saida saida kike yi kuma kina ba ɗalibanki suna zuwa cikin sauran aji suna saida ma sauran 'yan makaranta. Hakan yana sa karatun su bai zuwa gaba mana. Hmm, ina ruwanki, abin da nike yi cikin aji na bai kallonki. Kuma abubuwan gada nake yi lokacin karamin hutun da ake basu ne a cikin makaranta shi yasa nake basu suna yi mini yan ƙananan ayyuka na kuma wani bi ma sai an sabka daga makaranta kenan ban ga abin da zai sa karatun su ya taɓarɓare ba ha wallahi hadda wani nuna isa fa to yanzu in wani abu ya same su bisa hanya suka yi wani haɗari mota ta buge su yaya zaki ba abin da zai same su in Allah ya yarda kin san ban da nisa nan bayan makarantar nake kuma ayyukana na gida ba su ɗaukar lokaci ke ni hokin hara isata to tsaki je kundin ofishin daraktan da ke kula da ƙananan karatu ya hana irin wa'annan aika-aika ya hana aiki ɗalibi ya hita daga cikin makaranta kuma a lokacin ƙanƙanin hutun da ake ba su ne na cin abinci abu ne da baya da kyau kamar kin saba ma incin a ba su tarbiyya ne kinga kuma hakan bai yi ba kuma kamar kina nan ga amfani da yaren nan ne wajen neman kuɗi me nike shirin ji kuma nan kina son cewa kenan an kore ni daga makaranta a'a kai ki ga yi abun da ban haɗi ba ni dai na gaya miki taka tsantsan kuma ki sau da ƙawa ki aikin ki yadda ya kamata ki ta ki jawo kanki wasu matsaloli nan zuwa gaba duba ki gani yanzu a ce inspecto ya zo ko kuma shawartan ba da horo suka zo suka miki shigar bazata a wurin nan kuma suka iske babu wasu ɗalibai ya zaki <laughs> ni ba wannan ne nufina ba gaskiya ina so ne a ce na ɗan samu kuɗi na da zan sa a aljihu kin san yanzu wannan lokacin da muke a'a gwamnati ba ta nan ga biyan ki ne biyan ki take dan ki ba yaran nan horo kenan wajibi ne gare ki ki kula da aikin da suke yi a makaranta kuma ya kasance a ce su duka ɗaliban kirki ne amma ba za zaki zama sanadiya da zai sa su faɗi ba su gasa karatu. Hmm. laure to yanzu menene abun yi. ya kai ma ki tambaya surayya bari ya kamata ki yi kawai saboda yanzu in lissafi ki gani in aka ce malamar makarantar yaran ki ta musu haka yaya zaki je. mi <laughs> ai ku ba ta ma yarda ba zan kai karanta zuwa ga wajen shugabansu. Ah, kin gani kenan ko ai babu daɗi. Laure, wallahi na gode, kuma na gane, zan kuma ja hankalin sauran abokanan aikina. To yanzu da yake na karya miki kafa, jarin shi kenan ya kare, to mu ɗan biskiti nan na ni in sa ga baki na ma. Kwaɗai dai kai baki hita bayan shi ɗauki gashi nan, haka kuma na ba ma yaran ma sauran in sun zo. Mm, abun da daɗi. wai yanzu ha nawa ne ke iya sai da haka ga wani ya ya ya ya wannan dai baki ta bayan shi <laughs> haba ina so in ji ne mana bayan kin zo kin kai ne ga bango Accueillons Asuman Shina pour la culture linguistique. Bonjour Shina. Bonjour Habiba, bonjour euh, Salamatou. Bonjour Shina, le, euh, le mot du jour c'est la rentrée. L'actualité l'oblige. Oui, le mot de jeu, c'est la rentrée, comme euh, vous venez de le dire. Et comme vous le savez, à la fin des grandes vacances, élèves et enseignants mhm. reprennent euh, le chemin de l'école, et comme c'était le cas hier euh, au Niger. C'est ce qu'on appelle donc la rentrée. Et eh bien, c'est ce mot, rentrée, que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est un nom féminin dérivé du verbe rentrer. Nous parlons donc de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire et la reprise de l'enseignement dans les établissements d'éducation après les grandes vacances. C'est un moment de retrouvailles entre élèves après un long temps de séparation et de la reprise de toutes les activités scolaires en général. Tout à fait. Elle marque euh, le début donc d'une nouvelle année scolaire. Mais cette rentrée scolaire est différente de la rentrée académique. N'est-ce pas, Yua ah, ok, mais c'est quoi la différence elle, donc, euh, La rentrée académique, elle concerne les étudiants au niveau des universités, des grandes écoles et instituts. Voilà, nous allons parler un peu de cette rentrée donc, à Hausa. Donc ma dernière rentrée à Hausa shine a komawa makaranta bayan babban hutu na watanni uku inda makaranta da malaman makaranta ke fara zuwa cikin makarantu kamar yadda ta faru jiya a ƙasar Niger. kuma makarantar wata dama ce ga 'yan makaranta na su sake ganawa da juna bayan wani dogon lokaci na rabuwa sanadiyar babban hutu sannan kuma wata babbar dama ce ga 'yan makarantar su ɗauki darussa daga malamansu har ila yau hakan na bada damar sake tafiya da dukkan wasu ayyuka da suka shafi sha'anin karatu kuma da an yi wannan komawa makaranta an shiga sabuwar shekarar karatu kenan da ke ɗaukar tsawon watanni tara a ka'idance. Mhm, Merci. Merci beaucoup à Soumane China, chers auditeurs. Merci aussi de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Aujourd'hui, écoutons quelques-uns que nos reporters ont rencontrés à Douchi. ay mahamad abdullahi ka ma gomboro ay wallahi wo tebur koy deyno ay gafar mono ay wo gafatawci ay gafar are yo ay kalangu si ay wallahi aga kanu zama labare kay sudu arajo berera ngano igudu kalangura mi wo kalangode no borege hangan kadu labari ka zam zam wonen labari an fon labari kan kalangu ki wala an saki a iwo kai mandita alkul kalangu labaro no yongodo a to yiga bora kul fo de go kalangu bo zam ya jama ko yan ni sin kine filan ne filan kuli sin ko bore fo yiga salama kul fo go no ga hangan radio kalangu ci ay ma ke abdullahi gomboro alfa abdu gomboro radio kalangu wat kuli ga mara mai yi shirgo du kasallamira amma sun wa karan kakin ha wallahi ma yan waka kani gumgumo i goga ma dai no gindai i shiga duka salam ya dinga hunkun kan ha hawo i ma kani i goga sabu mo zama lakkal kana tabbatu lam da man kila kalkane ka tabbatu bo su ko windi alhamdulillah i goga sabu mo la jo karangu bo i goga sabu sai kin da zadi zama kine kul gano i ga te i goga mara igo ga mawo ka ne gum gum gum gum igo ga sabaran sai kin da zari ne yo koy gur habu no irgo ne yo koy gur irgan da bolyan kai irga bayin mu foyan lama bor si jang ra ban kan ga fo ir kwar boy ne no bor ga fo lama ari wo gum bor bonno ai ga fo gum bor mai garo samira ai go ga samira bum bo fo kan kakin ha ha yangai igo ga rajo karangu eh, jina bora fo kan da fonda no imaka kauye ra ka borai ha masalai kai go gadi wallahi alhamdulillah yidu lakkal kanai alhamdulillah tali kursino yi goba ni samai samai no yi go sabu ai ma kiti garba adamu kuru saka kasi ne wasila baba koy gurno yigo koy gur habu atinin habu habu gongo atinin nika ki ganne dos komino ha yi sabu de kango kan nika kete ki ha radio kalangu albahara yi matka yigo ma da wallahi yigo ma ra go kanise awaran mo kan ti radio kalangu Fin de cette émission de ce mardi 3 septembre 2023. Rendez-vous demain avec un nouveau duo, bien sûr, à partir de 11h. Vous étiez avec Salamatou Kadri et moi-même Habiba Ahmed. L'édition était assurée par Kadija Isaka et Adam Dawaki et la, la technique par Lawali Issa. Bonne journée à vous tous et bon appétit.